18 heures passées de 15 minutes à Niamey, vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Studio Kalangu, relayés dans tout le pays à travers nos 34 radios partenaires. Le forum de Studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités sur différentes thématiques d'intérêt général et ceux dans le respect mutuel. Le thème dont il sera question aujourd'hui est sécurité routière à Niamey, nouvelles mesures et solutions alternatives. Malgré l'obligation du port de la ceinture de sécurité en voiture et du port de casque à moto, certains conducteurs négligent ou ignorent les risques auxquels ils sont exposés ou exposent les autres. Pour en débattre, nous avons fait appel à des spécialistes, chacun dans son domaine, pour débattre de cette thématique. Je suis ce soir euh, dans ce studio avec euh, Monsieur M. Hamaïde, directeur euh, par intérim de la circulation et sécurité routière au ministère des Transports. Bonsoir. Bonsoir, madame. Commandant Ousmane Yakouba de la Direction générale de la police nationale, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons incessamment M. Gamache Mamadou Yansambou, secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxi, Cinco Taxi, et un représentant de la ville de Niamey que nous attendons aussi incessamment à la présentation Soumana. Messieurs, dames, bonsoir. La question de la sécurité routière reste d'actualité au Niger. Chaque année, de nombreuses personnes sont victimes d'accidents de la route, les uns plus dramatiques que les autres. Des accidents causés le plus souvent pour le non-respect des dispositions du code de la route, excès de vitesse, précipitation au carrefour, violation des panneaux et feux de signalisation, défaillance des feux, pneus usés, ceinture non attachée, défaut de casque de protection, ivresse au volant, etc. Selon les services nigériens des transports de Niamey, la route tue en moyenne plus de 800 personnes par an. Je vais commencer par vous, commandant Yakuba de la police nationale. Quels sont les facteurs qui favorisent les accidents de la route constatés par la police ici à Niamey Merci beaucoup. Je suis le commandant Ousmane Yakouba, commandant de l'unité de police routière la ville de Niamey. C'est un service, euh, une unité de la direction de la police de la ville de Niamey. Pour répondre donc à votre question, mhm. les facteurs qui favorisent les accidents de la circulation routière de la ville de Niamey et en général, c'est le non-respect des, règles du code de la route. la vitesse, l'excès de la ville de Niamey, et le non-respect bien sûr des signalisations, notamment les panneaux, les feux n'est-ce pas Et il y a la consommation aussi des stupéfiants, hein. il y a l'ivresse publique, donc la consommation excessive d'alcool, qui sont entre autres les causes principales euh, des accidents de la circulation routière dans la ville de Niamey. Et donc, euh, selon vous, pourquoi ces conducteurs euh, ne respectent-ils pas le code de la route Bon, le code de la route n'est pas respecté. Dans la, la, plupart des cas, il faut noter l'incivisme, mais aussi la méconnaissance pour beaucoup de conducteurs des règles du code de la route parce qu'ils conduisent sans permis de conduire. Donc, euh, qui n'est pas titulaire de permis de conduire, euh, bien sûr, ne peut pas maîtriser les règles de conduite. Donc, dans la plupart des cas, malheureusement, c'est ça. Et surtout en ce qui concerne les usagers comme les motocyclistes, ils conduisent des motos sans. La plupart, en tout cas, ils n'ont pas de permis de conduire. Donc, de ce fait, ça va de soi que les accidents de la route euh, soient récurrents, en tout cas dans la ville de Niamey. Qu'est-ce qu'on risque si on vous prend sans permis de conduire, en train de conduire une moto ou euh, une voiture Le défaut de permis de conduire est un délit. De ce fait, l'usager pris dans ces situations-là, il doit être déféré au tribunal pour en être jugé et ça veut dire qu'il va en prison. Merci, euh, commandant. Je m'adresse à vous, euh, monsieur Hamaïdé. Euh, le mauvais état des routes serait aussi un facteur qui cause des accidents. Quels sont les autres aspects à prendre en compte dans ce cas Merci, madame, de nous donner l'occasion d'éclairer le public par rapport à la circulation et à la sécurité routière en général. C'est vrai, le commandant l'a dit entre autres facteurs donc euh, d'accident, il y a la fatigue générale au volant, l'usage du téléphone au volant, surtout le téléphone portable, mais également l'état de la route, le tracé de la route. Je parle là non seulement nos routes urbaines, mais surtout nos routes interurbaines. Le tracé compte beaucoup sur la conduite il faut entendre par tracer, comme l'a dit tout à l'heure le commandant, la signalisation. Mhm. Vous savez, la route parle. La route parle au conducteur. Vous avez des tracés, des signalisations qui sont horizontales, verticales, ce sont les panneaux, les feux optiques, mais également cette signalisation horizontale, c'est-à-dire les bandes qui sont tracées sur la route. Et comme le disait tout à l'heure le commandant, celui qui ne maîtrise pas le code de la route ne peut pas maîtriser ces aspects de la route. Cette route qui vous parle quand vous conduisez, si vous l'écoutez, vous ne pouvez pas faire d'accident. Si vous respectez les panneaux, si vous respectez les tracés, vous allez conduire normalement. Il y a également un autre aspect que les gens ignorent, c'est la voiture elle-même. C'est un autre facteur d'accident. Le plus souvent, les accidents, surtout en race campagne, sont occasionnés par l'état de la voiture. Rares sont les citoyens qui, avant de voyager, se font contrôler le véhicule dans ces aspects les plus essentiels est-ce que ça veut dire que ces voitures euh, ne sont pas contrôlées, les contrôles techniques, euh, comme on le dit Le contrôle technique, vous savez, est rendu euh, obligatoire au Niger et d'ailleurs dans l'espace Yomoa depuis longtemps. <laughs> Mais je parle sur le contrôle du commandant. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce contrôle. Le contrôle, ce n'est pas seulement sur les véhicules de transport, c'est-à-dire les taxis, les transports interurbains, les camions, les transports de marchandises et des personnes. C'est tout le monde votre véhicule doit être contrôlé pour les particuliers chaque année. Mais en dehors de ça, systématiquement, moi je prends mon cas, si je dois aller en rase campagne, c'est le cas d'Osso, je me fais contrôler le véhicule sur les aspects essentiels, c'est-à-dire les freinages, la direction, l'état des pneus, pour être sûr que mon véhicule est bon pour aller. Et le plus souvent, je dis dans euh, pratiquement 50% des cas, l'accident est causé par l'état du véhicule. C'est essentiel quand vous voulez voyager. C'est essentiel quand vous êtes en ville également, que votre véhicule soit conforme aux dispositions donc, réglementaires pour circuler. Merci, Monsieur Idé. Euh, commandant Yakuba, euh, l'obligation du port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes et celui du casque de protection pour les motocyclistes euh, mise en œuvre à Niamey le 1er octobre dernier fait déjà son chemin bientôt deux mois. À ce jour, quel est votre constat et quel changement cela a apporté, selon vous On peut dire, c'est un risque de nous tromper, n'est-ce pas C'est un constat que nous faisons chaque jour que la ceinture de sécurité est quand même portée par les usagers. Bien sûr, il y a des fois il y a des ratés, quelques ratés, des oublis, mais vraiment dans l'ensemble, le constat est satisfaisant pour le port de la ceinture de sécurité. Maintenant, pour le, le port des casques, malheureusement, je vous le dis, le casque est quand même porté, mais il reste beaucoup à faire, n'est-ce pas Surtout la sensibilisation. Les médias euh, apporter leur concours dans ce sens-là, n'est-ce pas, de sensibiliser les usagers, les, motocyclistes, que les portes de casque, c'est dans leur intérêt parce que c'est pour protéger la partie sensible de l'organisme. Donc, ils doivent comprendre que ce casque-là doit être porté. Nous, nous faisons euh, de notre mieux, n'est-ce pas Chaque jour, euh, nous, sommes, nous sommes sur la voie, nous sommes sur la route. Nous contrôlons, nous interpellons, nous, ne serait-ce que pour surtout dissuader n'est-ce pas, pour que les amener, les, motocyclettes à, se conformer, à porter leur casque. On a tendance, en tout cas, à aller de mieux en mieux, n'est-ce pas, c'est la tendance à la date d'aujourd'hui. Mm-hmm. Mais comme je l'ai dit, euh, vraiment beaucoup, beaucoup osent continuer, osent euh, circuler sans casque à leur risque et péril. Parce qu'on ne porte pas le casque pour la police, on ne porte pas le casque pour le maire euh, qui, a, demandé, qui a attiré l'attention des usagers sur l'intérêt du port de casque. C'est pour soi-même, mm-hmm. n'est-ce pas Donc, euh, c'est que notre souhait est que la sensibilisation continue. Notre souhait est que chacun comprenne et qu'il porte son casque. Merci, commandant. Monsieur Idé, euh, quel est votre constat en ce qui concerne la mise en application de ces mesures Bon, le constat, c'est que, euh, Dieu merci à Niamey, la ceinture est portée. Mais vous savez, la ceinture, ce n'est pas seulement pour Niamey. La ceinture est nécessaire surtout en race campagne. Et là, le constat, c'est que euh, c'est appliqué à Niamey, mais n'oubliez pas que l'application de la loi portant code de la route et de son décret d'application a été pour le ministère un point essentiel. C'est ainsi que le ministre du Transport a signé un arrêté le 15 octobre dernier qui fixe et qui oblige le port de la ceinture de sécurité et du casque pour toutes les l'étendue du territoire. Déjà, Agadez a emboîté le pas. Et pour tout le pays et pour tout le monde, pour les usagers. C'est-à-dire ce n'est pas seulement Niamey. Je dis donc, le port de la ceinture de sécurité est surtout nécessaire quand vous roulez en grande vitesse. vous savez, bon, dans les, dans les grandes villes, la vitesse, même si vous voulez aller vite, vous ne pouvez pas dépasser euh, les 40, 50 avec le trafic qu'il y a sur nos routes en ville. Mhm. Mais là, en race campagne, vous êtes libre, vous conduisez d'une manière, euh, je ne sais pas, tellement que c'est bon, le volant, la voiture est bonne, mhm. vous avez tendance à aller en grande vitesse. Et là, en cas d'accident, si la ceinture n'est pas attachée, c'est l'éjection. Le plus souvent, c'est ça qui tue. Quand vous êtes dans le véhicule, la ceinture bien attachée, vous êtes assis sur le véhicule, fait plusieurs tonneaux, vous restez toujours dans le véhicule. Mhm. Et vous avez de bonnes chances de vous en sortir. de, vous en sortir que uh-huh. quand le, véhicule vous éjecte. Et quand la ceinture n'est pas portée, vous avez certainement 100% de chance de ne pas être dans le véhicule en cas de tournant. Merci, M. Idé et à M. Gamache Mamadou Yansambou, secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxi qui vient de nous rejoindre. Bonjour, M. Gamache. Euh, bonjour. Donc, euh, nous parlions des nouvelles mesures prises par la ville de Niamey s'agissant du port de la ceinture euh, et du casque de sécurité. Donc, les conducteurs de taxi sont souvent accusés d'être au centre des accidents en ville. Comment expliquer cela Oui, merci tout d'abord nous remercions euh, l'ensemble des débatteurs. Et, euh, euh, le studio Kalangu qui nous donne de temps en temps euh, l'opportunité de venir nous exprimer sur les antennes. Mhm. effectivement, nous avons tous, en tant que conducteurs, d'abord salué la mesure prise par d'abord le président de la délégation spéciale de Et puis je viens d'apprendre que le ministère aussi a pris pour que ce soit une décision nationale. Donc nous profitons encore pour remercier le ministère parce que le port de la ceinture de sécurité et le port de ce sont quand même des mesures qui sont indispensables euh, et qui sauvent des vies en cas euh, d'accident. Par rapport à ça, je n'ai pas vu quelqu'un qui peut dire en tout cas que c'est des mesures qui sont contraignantes ou quelque chose comme ça, parce que ça dépend de la sécurité. Mhm. Donc euh, il fallait les prendre même depuis. Donc on dit il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc par rapport aux accidents dont euh, on accuse euh, les taximans, euh, bon, nous attendons ça et là que les gens disent que c'est les taximans qui sont à la base de plusieurs accidents. On ne peut pas nier, et comme on ne peut pas aussi les donner raison. Mais nous, de notre côté, en tant que syndicat, nous ne formons pas les taximans. C'est là où les gens doivent comprendre que les syndicats ne forment pas les chauffeurs. Formés en quoi Eh oui, en conduite. C'est-à-dire, pour être conducteur il faut être d'abord chauffeur. Pour être chauffeur, il faut aller dans une école de formation. Mhm. Et entre autres facteurs qui entraînent d'accentuer ce phénomène de mauvaise conduite, c'est la formation. Nous nous accusons toujours la formation. Donc, les euh, auto-écoles. La responsabilité revient au, au, des auto-écoles. bon, à l'État, parce que nous avons toujours plaider à ce que les écoles soient subventionnées. Parce que c'est des écoles professionnelles comme toutes les autres écoles professionnelles de santé, professionnelles de ceci, de cela. C'est les auto-écoles aussi, on doit avoir un œil regardant par rapport à ce qu'ils font comme formation. Parce qu'un élève conducteur mal formé constitue un danger, une menace pour la sécurité, pour lui-même et pour les autres. Donc, pour y remédier à tout ce que nous sommes en train de voir et de constater ces dernières années. Moi, je pense que le mal, entre autres, c'est au niveau de la formation. C'est vrai, et même ceux qui sont souvent bien formés font, en tout cas souvent, des choses euh, à leur tête. Nous, de notre côté, tous les camarades taximans portent la ceinture. Avant même qu'on en sorte cette mesure, il y a un bon nombre, je peux dire 20% des taximans qui porte cette ceinture. À notre niveau, il n'y a pas de résistance. Souvent, les petits problèmes qu'on a souvent avec la police, c'est que c'est par oubli. Par exemple, les passagers, mhm. les passagers qui oublient de, mettre ou que ou le taximan oublie de, de l'interpeller pour mettre. Donc tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas eu un temps de sensibilisation. Les autorités de la ville de Niamey ont pris cette mesure. Ils ont donné un délai un délai butoir et le délai et le délai de rigueur. Et nous avons interpellé à travers un écrit pour saluer d'abord la mesure et demander au président de l'élection spéciale de nous délai un temps, six mois par exemple, un délai de rigueur. Parce que euh, le délai butoir, on n'a pas contesté, nous avons dit même le est même trop en retard. Mais le délai de rigueur, normalement, on devrait, parce que c'est une pratique dont nous ne sommes pas habitués. Il va falloir avoir un temps de sensibilisation. Donc c'est ce qui fait que souvent il y a un petit problème entre la police et les usagers, pas les taximans seulement, parce que c'est l'oubli. Je pense que moi, par exemple, je voulais toujours porter la ceinture de sécurité, je ne la portais pas, mais quand on a mis la mesure, je me suis habitué, maintenant c'est devenu un réflexe. Dès que je rentre, je mets directement ma ceinture de sécurité. On va prendre en ligne le représentant de la ville de Niamey. Allô Allô, oui, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît c'est M. Mohamed Al-Fazazi. Je suis le conseiller technique en éducation urbaine du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Ok, d'accord. Monsieur Mohamed, nous étions en train d'échanger sur les nouvelles mesures prises par la ville de Niamey s'agissant du port de la ceinture et du casque de protection. Mhm. À ce jour, quels sont les différents montants à payer par les contrevenants, par automobilistes qui n'auraient pas attaché sa ceinture de sécurité ou un conducteur de moto qui ne porterait pas son casque de protection. D'accord, merci euh, madame. Merci la radio Kalangou pour euh, tous les efforts euh, inestimables et un cachet particulier à tous ceux qui sont en train de fournir beaucoup d'efforts dans le cadre du changement de comportement dans la ville de Niamey. Euh, de façon particulière et tout le Niger de façon générale. Par rapport au port de casque, la contravention est de 5 000 francs, mais la contravention en matière de changement de comportement, c'est la dernière étape, la verbalisation. Et en amont, nous avons procédé au niveau des ronds-points et dans les quartiers les plus reculés de Niamey pour sensibiliser les gens par rapport au port de casque qui n'est pas la première depuis le temps de Kounke, les gens portaient les casques et après récemment, vous vous rappelez, il y a ce port de casque a commencé et les mêmes citoyens, les avis que nous avons recueillis, ils ont dit que c'est deux jours. Nous, nous sommes là dans une forme procédurale où les gens doivent euh, accepter et sans violence, sans, verbalisation, ce tact qui est posé pour le bien-être de la population. Et vous avez vu les dernières statistiques de l'hôpital national qui relèvent que les accidents ont réduit à plus de 200%. Ça, c'est à féliciter et ça rentre à l'actif de l'ensemble de la population de Niamey parce que ce sont des efforts de tout le monde et le résultat est là. Maintenant, par rapport à l'attachement de la ceinture de sécurité, qui est une obligation au moment où les usagers passent leur permis de conduire et après l'obtention du permis de conduire, les usagers abandonnent cette pratique obligatoire. Mais il faut dire aussi que euh, pendant le passage du permis, beaucoup n'apprennent pas à leurs élèves euh, qui doivent attacher la ceinture. Madame, dans le code de la route, avec même le nouveau code de la route, je parle sous le contrôle des techniciens, vérifiez le B6, le B9, le B12, le B2, partout, le port de la ceinture est obligatoire de jour comme de nuit. C'est obligatoire. Au fait, ce que je dis, c'est que les moniteurs, ils n'insistent pas, ils ne poussent pas leurs élèves à porter la ceinture de sécurité au moins des conduites. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens Dans ce sens, c'est une responsabilité partagée. Nous, à notre niveau, pendant le passage, nous ne pouvons que sensibiliser les moniteurs des autres écoles, les examinateurs du ministère des Transports, mais dans tous les cas, il nous faut une synergie d'action ministère des Transports, le centre technique, la ville de Niamey et tous les syndicats pour atteindre les objectifs. Alors au niveau, des, au niveau du ministère des Transports, c'est que tout simplement, tout celui qui ne porte pas la ceinture de sécurité à un examen, il ne doit pas passer et ça va réduire le taux d'accident. Je veux continuer par rapport à la, à la, dernière sanction qui est la verbalisation. Pour l'attachement de la ceinture de sécurité, nous, la disposition que nous avons prise, c'est 10 000 francs. C'est seulement le conducteur et le chef de bord qui doivent attacher la ceinture de sécurité pour le moment. Les autres qui sont derrière n'attachent pas la ceinture de sécurité. Mais maintenant, en cas de refus d'attacher la ceinture de sécurité, ou pour paraphraser ce que le SIG Taxi a dit, l'oubli, si les gens pensent que c'est simplement de l'oubli, nous, nous allons dire en matière de changement de comportement, tout celui qui sait ce qu'il doit faire doit le faire correctement sans oublier. Parce que si vous avez un rendez-vous avec le président de la République demain 10 h vous allez vous présenter vous n'allez jamais oublier ce grand rendez-vous-là. C'est extrêmement important. C'est pourquoi nous sommes en train de faire le processus. Nous allons rentrer dans le troisième mois de cette mesure et nous allons continuer jusqu'à ce que l'ensemble de la population de Niamey. S'agissant du casque de protection, est-ce qu'il y a mhm. une norme pour les casques que doit porter le motocycliste Est-ce que les casques vendus ici à Niamey répondent aux normes La conformité des matériels, je ne sais pas, mais je sais que par rapport au prix des casques, nous avons aussi fait des investigations pour permettre à la population d'avoir un souffle. Malheureusement, le commerce au Niger est libéralisé, les produits n'ont pas le même montant. Du coup, chaque commerçant est libre de vendre le produit à sa guise. Donc, euh, il existe euh, de nombreux chefs de famille qui transportent trois voire quatre euh, personnes sur une même moto. Quelle est la sanction dans ce cas c'est interdit, mais nous, nous sommes en train de prévenir l'accident. Alors, nous souhaiterions prendre des mesures pour les empêcher d'être à quatre sur une moto et faire un accident, perdre quatre vies. Même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il y aura vraiment des handicaps et nous ne le souhaitons pas. C'est une responsabilité sociale et nous souhaiterions être à la hauteur de cette responsabilité, madame. Merci, Monsieur est Restez en ligne. Nous allons donner la parole euh, à commandant Yakuba, qui est de la police nationale. Commandant Yakuba, comme je l'ai posé à M. alfazazi conseiller à la ville de Niamey, quelle est la sanction pour euh, ces quatre figures, euh, trois à quatre personnes sur une même moto 3 à 4 personnes, euh, c'est la surcharge. Chez nous, la moto, c'est deux places. Donc, plus de deux places, ça fait la surcharge. Et la surcharge, c'est une contravention de troisième place. Ça veut dire Ça veut dire, euh, même avec l'ancienne sanction, c'est 4 000 à 50 000. Et actuellement Actuellement, c'est 10 000 à 50 000 francs. C'est ça la sanction de la surcharge. Et malheureusement, on découvre beaucoup d'infractions avec les motocyclistes. Je l'ai dit tantôt qu'il y a le défaut de permis de conduire, mhm. n'est-ce pas dans la plupart des cas, vous prenez les motocyclettes qui circulent sans assurance, sans pièce même, aucune pièce justificative. Donc, euh, vous voyez bien que la situation des motocyclettes euh, n'est pas du tout honorable. C'est pour cela que nous disons qu'il y a vraiment un effort à faire dans la sensibilisation. D'accord. Euh, monsieur idée du ministère des Transports, à votre niveau, que font vos services pour aider à bien appliquer ces mesures Tout à l'heure, je disais que le ministère a fait un arrêté. Mhm d'application nationale. Dans cet arrêté, vous allez voir d'ailleurs comment donc sont fixés sur euh, votre véhicule la ceinture de sécurité mhm. et quelles sont les modalités du port de ces casques Mieux, le dimanche dernier, le ministre des Transports euh, a lancé à Zender la journée africaine de sécurité routière. Mhm. C'était un forum de sensibilisation. Le thème d'ailleurs général était euh, sur ces deux aspects, la ceinture et le port du casque. Et nous avons fait des démonstrations c'est vrai qu'un euh, autre aspect des accidents de la circulation dans notre pays, c'est la petitité de nos véhicules, du parc en général. Sinon, vous avez remarqué dans les véhicules modernes, si vous ne portez pas la ceinture, le véhicule le dit. Il y a un petit bip. Il y a un petit bip ou en tout cas une euh, lumière qui clignote pour vous dire que vous n'avez pas porté votre ceinture de sécurité. Mm. Donc, dès que vous rentrez dans votre véhicule, assurez-vous avant de démarrer que vous avez porté votre ceinture de sécurité. Idem pour le casque. Dès que vous montez sur la moto, attachez bien votre casque. Mm-hmm. Et dans l'arrêté, il est d'ailleurs dit les modalités et la conformité du casque au Niger. Le casque doit être homologué et le casque, nous allons faire appel euh, au ministère technique, le ministère des Transports, on va s'asseoir pour harmoniser ce casque-là. Mais dans tous les cas, le casque doit être adapté à votre tête. Mhm. C'est-à-dire quand vous portez le casque, ça ne doit pas être également un danger. Mhm. Si le casque est plus grand que votre tête, sois sûr que dès que vous avez des secousses, ou le casque va devant pour fermer vos yeux, ou alors quand il y a un chute, le casque vous devance par terre. Alors il n'y a pas de protection. Donc, pour également réagir un tout petit peu sur euh, ce que donc, le syndicat des taxis disait, mhm. je les invite à chercher cet arrêté du ministre, qui <laughs> d'ailleurs le protège, mais pas tout à fait. Dans cet arrêté, il est fait cas de ceux qui sont exemptés du port de, la ceinture de sécurité. Et ils font partie. Un taximan en service est exempté, mais mm-hmm. pas les passagers qui transportent. De même, le fort de sécurité en service ne portent pas la ceinture de sécurité. Pourquoi Parce qu'ils sont, comme il l'a dit tout à l'heure, non seulement il y l'oubli, mais le service fait que à tout bout du chemin, ils descendent pour ou débarquer des bagages ou débarquer des, passagers. Mm-hmm. Donc, c'est gênant et il oublie. Donc, c'est pourquoi les taximans sont exemptés selon une situation euh, sur ces accidents de l'hôpital national de Niami, à la date euh, du 5 novembre publiée. Au mois de novembre, déjà près de 750 cas d'accidents de voie publique ont été enregistrés avec 67 euh, traumatismes crâniens dont 23 graves. Et en octobre, 356 accidents avec 24 euh, euh, traumas crâniens, donc 4 graves. Ces chiffres euh, sont quand même très révélateurs. Donc, commandant Yakuba, comment que vous cette chute du nombre d'accidents et de traumatismes oui, mais cela veut dire qu'il y a quand même une certaine prise de conscience. Les usagers sont en train de se conformer à la réglementation et ils ont compris l'intérêt de ces mesures-là de porter son casque, de, porter sa ceinture de sécurité. Donc c'est certainement ces mesures-là qui ont fait en sorte que le taux de victimes des accidents, les traumatismes crâniens a chuté. Donc, Monsieur Gamache, secrétaire général du conducteur de taxi, est-ce que à votre niveau, euh, vous avez constaté une réduction du nombre d'accidents en ce qui concerne euh, les conducteurs de taxi Quel est le taux à peu près on n'a pas fait cette statistique, ce n'est pas de notre ressort. Avant, sinon avant, on les faisait une semaine avant les fêtes, à des fêtes. Et après les fêtes aussi, on va, on demande euh, au niveau du service constat le nombre d'accidents qu'il y a eu à Niamey, et nombre d'accès parmi tous ces, ces nombres. Mhm. Mais comme euh, vous l'avez vous-même fait, moi je pense que euh, nous nous réjouissons et que nous sommes heureux d'apprendre qu'il y a eu une baisse euh, considérable. considérable. de ces accidents. Et nous sommes aussi heureux d'apprendre tout de suite avec euh, le représentant du ministère que dans la loi elle-même, les taximans en service ne sont pas assujettis à ce port de ceinture de sécurité. c'est pas une raison pour ne pas porter. Porter. Voilà. De toutes les façons, si je dis porter la ceinture, c'est une bonne chose. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre acte de cet arrêté du ministère et nous allons profiter de cette euh, occasion pour interpeller le conseil du président de la délégation spéciale qui nous écoute et qui fait partie de ce débat, de lui dire que à partir de maintenant, que taximan qui n'a pas porté ou qui a oublié de porter, on ne va pas leur dire de ne pas porter, effectivement, mhm. on ne va pas le faire, mais quand même, qu'il ne soit pas verbalisé ou sanctionné, ça va être quand même contraire à l'arrêté du ministre. Et le commandant est là, je suis très heureux, c'est devant lui, l'arrêté est là, que les taximans qui oublient de porter les ceintures de sécurité, ne doit pas payer les 10 000 francs On va prendre notre euh, invité en ligne. Euh, <laughs> Monsieur Alvazazi, vous êtes là <laughs> Oui, oui madame, <laughs> j'ai vraiment suivi. Voilà. Et c'est très bien. Donc, euh, voilà un arrêté, certes, que nous venons d'apprendre et c'est ça l'intérêt de ce débat. Mhm. Parce que, obligatoirement, nous devons avoir une forte collaboration entre les services publics nous sommes très très contents comme. ça veut dire qu'en entre vos services même, il n'y a pas de communication. Euh, bon, nous venons d'apprendre et nous, allons aussi euh, nous conformer à cet arrêté. Nous allons vraiment le parcourir et je rappelle euh, au SG 5 Taxi que la décision, elle exclut les taximans, mais pour le bien-être, il faudrait que cela soit une leçon de porter la ceinture. Et donc, euh, la semaine dernière, euh, la ville de Niamey a signé un partenariat euh, pour améliorer le transport urbain. La, mobilité urbaine. Voilà, dites-nous de quoi il s'agit exactement. Depuis un certain temps, depuis l'arrivée du, président Mokhtar Mahmoudou, il a usé de ses relations personnelles pour les transformer en relations aujourd'hui officielles, formelles et de partenariat. Et il y a eu trois grandes missions qui ont séjourné à Niamey, dont la mission qui nous intéresse actuellement, c'est la mission qui s'occupe de la mobilité urbaine dans la ville de Niamey. Dans les jours à venir, ça va nous permettre qu'il y ait une fluidité dans la circulation, de revoir certaines dispositions. Ils ont fini le diagnostic, ils ont mis ces résultats pour le moment qui ne sont pas encore officialisés. Et après ça, il y aura la démarche à suivre pour qu'il y ait zéro accident dans la ville de Niamey. Et c'est vraiment avec euh, cette grande euh, compagnie euh, de transport Kodate, la plus grande compagnie spécialisée dans le domaine des transports. D'accord. Merci, Monsieur Alfazazi. Euh, restez à l'écoute. Euh, commandant Yakuba, pour revenir euh, aux motos, certaines nous ont fait savoir que des policiers ramassent des motos en réparation chez des mécaniciens ou dans les lavages auto-moto. Si oui, pourquoi est-il normal de, le faire en l'absence du propriétaire Ça, moi, je viens de l'apprendre. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas mon service. En tout cas, on nous a fait savoir que, euh, notamment vers Koubia, que des motos auraient été saisies, des motos en stationnement. Koubia, d'abord, c'est une zone que euh, nous n'avons pas vraiment en tant que telle une couverture de la circulation routière dans le quartier Koubia. Donc éclairez-nous dans quelles conditions la police peut appréhender un véhicule sans prévenir le propriétaire. En stationnement un stationnement, possible. Un stationnement, qu'est-ce qu'on peut faire si, euh, pour, pour, la lever, il faut, il faut une grue pour lever le véhicule. À la limite, un véhicule abandonné, ça, tout à fait normal qu'on envoie la, la, la, grue, la grue euh, dégager le véhicule euh, ou l'amener, le prendre et puis le déposer en fourrière. Donc, au cas où même ces euh, dires euh, s'avéraient vrais, n'est pas normal qu'on puisse enlever une moto, un véhicule devant chez le garagiste ou le laveur d'auto. En tout cas, ça me donnerait fort comment la police puisse aller s'emparer des motos, des véhicules euh, en réparation. <laughs> C'est ce qu'on aurait appris. C'était pour savoir. je ne pense pas que la, que la police puisse faire des choses comme ça. D'accord. Merci pour euh, ces précisions. Gamakil, quel est votre avis par rapport à l'arrivée chaîne de transport euh, urbain Ça va être quand même une concurrence euh, pour les taxis Non, pas du tout. C'est salutaire. C'est salutaire si la ville a été même trop en retard dans ce domaine. C'est de la responsabilité de l'État, à travers les villes, de s'assurer de la mobilité de la population. Parce que de toutes les façons, c'est l'État qui gagne. Aujourd'hui, vous savez que la demande en taxi dépasse l'offre. Et du coup, ça coûte cher. D'accord. Monsieur est du ministère des Transports, euh, quel est votre avis concernant le transport urbain ici à Niamey Est-ce que vous avez d'autres propositions pour améliorer cela Vous savez, je voulais réagir euh, au propos du représentant de la mairie. Euh, nous, avons, nous sommes ministère des Transports. Quand vous rentrez dans un domaine, assurez-vous que euh, celui qui a la tête ce domaine, en tout cas ceux qui sont concernés, sont en, euh, euh, ils sont en symbiose avec vous. Nous, nous faisons les textes. On les diffuse à travers les canaux habituels. Quand vous prenez l'arrêté, il est dit que en, ampliation, voilà ceux qui doivent l'avoir. Mm-hmm. Il n'y a pas les mairies, mais il y a leur ministère, il y a leur région, etc. etc. Donc, c'est comme ça les créneaux pour diffuser mm-hmm. un document officiel d'un ministère. Pour revenir sur votre question, pour la mobilité, le ministère réfléchit depuis longtemps sur la mobilité dans nos grandes villes, pas seulement à Niamey. Mm-hmm. Mais vous savez, la mobilité, ce n'est pas seulement payer des bus et les mettre sur la route. C'est les tracés, c'est les routes. Pas seulement euh, les grandes routes, les artères, mais également entre quartiers, il faut qu'on aménage pour que le bus que vous allez amener, le taxi que vous allez amener, puisse pouvoir déposer la personne au plus près de sa maison. C'est ça la mobilité. Et le ministère réfléchit là-dessus. Mhm. Mieux, euh, le Cinco Taxi l'a dit, euh, quand il y a eu les mesures pour un peu euh, décongestionner les grandes artères, le transport interurbain, rappelez-vous la réaction des petits véhicules Faba Faba les 19 places. Mhm. Mais pourtant, maintenant, tout le monde voit l'intérêt. Quand vous, vous, voulez voyager, c'est libéralisé. Vous pouvez aller au Tacha ou bien vous pouvez aller au niveau des grandes compagnies. Ça sera la même chose quand nous allons créer les conditions d'une bonne circulation urbaine. On l'espère dans un futur proche. Dans un futur proche. Nous saluons l'initiative de la mairie de Niamey. D'accord. Donc, euh, commandant Yacouba de la police euh, nationale, euh, qu'avez-vous à ajouter en ce qui concerne euh, ce port des casques euh, et autres un conseil à la population Notre euh, le conseil, tous les jours nous donnons le conseil parce que les mesures, c'est incontestable, c'est des mesures sanitaires, c'est des mesures vraiment sociales, n'est-ce pas, qui vont dans l'intérêt des usagers, c'est la protection. On leur demande de se protéger, n'est-ce pas Par un petit geste, prendre sa ceinture, la ceinture qui reste le véhicule, qui tire seulement, tu accroches. Mhm. Je crois que cela ne coûte rien, n'est-ce pas mhm. Le casque aussi, son intérêt n'est plus à démontrer. C'est une mesure, euh, disons, qui date de, de 40 ans. Hein de 1978 qui a toujours porté ses fruits, mais qui à un moment donné, on a senti un certain fléchissement, un abandon. Donc les gens ont, négligé. malheureusement, les résultats ne sont pas bons. C'est des familles qui sont là, qui sont endeuillées. C'est des victimes qui sont là, les handicapés à vie, physiquement ou mentalement. Donc, euh, c'est pour pallier à ça qu'on euh, on a rappelé de revenir à l'ancienne pratique. C'est vraiment un rappel qu'on fait aux usagers. Et puis, aux médias, surtout qui ont les moyens de porter le message à tout un chacun pour qu'ils comprennent l'utilité du port du casque, l'utilité du port de la ceinture de sécurité qui protège. Merci. Commandant. Notre invité en ligne est là. Oui, je suis là, madame. Monsieur Alfazazi, qu'avez-vous à dire euh, s'agissant des propos du secrétaire général des conducteurs de taxi euh, sur les remboursements des contraventions le non-port euh, de la ceinture Je vais simplement rappeler que ce débat euh, a été très fructueux parce que ce débat vient de démontrer, malgré qu'il y a euh, un comité c'est tripartite, euh, police nationale, euh, la ville de Niamey, le ministère des Transports, la ville de Niamey à travers la direction des transports urbains, bien sûr. Donc, euh, il y a lieu de réactiver ce comité pour l'intérêt de tout le monde. Et dans ce comité, il y a aussi les syndicats. Donc, ce débat que vous êtes en train de faire, c'est vraiment le débat d'un comité en dehors de vous, journalistes. Et ça va nous permettre effectivement d'éviter beaucoup de choses. Donc, au niveau de cette mobilité urbaine, déjà des études sont en train d'être euh, faites par rapport au parking, parce que c'est bien bon d'avoir des bus, mais il faudrait les parquer, et c'est extrêmement important. Par rapport à ce que le SG du taxi a dit, le remboursement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté. C'est une fierté pour tout le monde, le fait que nous nous sommes habitués d'une bonne pratique, bien sûr, le port de la ceinture de sécurité. Donc, je pense que l'arrêté pris par euh, le ministre montre un peu toutes les parties qui doivent porter ou qui ne doivent pas porter. Mais vous allez voir que du moment où c'est ancré dans nos esprits, nous n'allons pas tout de suite abandonner cette bonne pratique, malgré que l'arrêté exclut une partie à cause de leurs activités. En bref, ils seront remboursés ou non euh, bon, pour le moment, je ne peux pas me prononcer par rapport à ça parce que nous ne savons pas qui et qui ont été verbalisés, qui et qui ont payé. Les récits seront disponibles, Inch'Allah. <laughs> Avec les numéros de portière, les, numéros d'immatriculation. matriculation. dans, tous les cas, au moment où nous avons pris cet arrêté-là, en ce temps, cet euh, arrêté est en vigueur. Maintenant, il y a un arrêté pris par une autorité supérieure, donc le premier arrêté est obsolète. C'est de cela qu'il s'agit, ça c'est vraiment l'administration. Votre arrêté a visé des dispositions du code. Et les dispositions du code sont clairs, c'est ce que aussi le ministère a visé. Et dans ces mêmes dispositions, nous sommes exemptés. Pour le moment, vous n'avez pas l'arrêté en main. Si, je, je, d'avoir l'arrêté. je te donne les références. Affaire à suivre. On va donner la parole euh, à M. Idé du ministère des Transports euh, avant de clôturer ce forum. Bon, je me réjouis que la ville de Niamey ait pris de l'avance. C'est une bonne chose de prendre ces mesures. Je le dis encore, pour la ceinture, c'est plus nécessaire en rase campagne plus qu'en ville. Pour ce qui est des taxis, et d'ailleurs les statistiques certainement ont dû montrer la baisse des accidents, ce n'est pas du côté des taxis. Ce n'est pas le port de la ceinture qui fait que le taximan va faire moins d'accidents. Mm-hmm. C'est plutôt le port du casque en ville de Niamey qui a fait que l'hôpital a enregistré moins d'accidents graves. Mais plus que d'ailleurs ce que fait le technicien du ministère, le ministère a nommé tout récemment il y a une grande structure qui s'occupera de la sécurité routière qu'on appelle ANISER, l'Agence nigérienne de sécurité routière, qui est d'ailleurs une directive de l'IOMOA. Cette agence-là, très bientôt, c'est sûr que les citoyens, pas seulement de Niamey, mais du Niger entier, vont commencer à le sentir parce qu'ils vont sortir sur les routes. Ils vont s'occuper de la sécurité routière dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont appliquer les dispositions qui sont contenues dans la loi portant code de la route, dans son décret d'application et dans les différents arrêtés pris par le ministère pour l'applicabilité de la loi. Encore une fois, nous allons remercier le studio Kalangou pour nous avoir donné l'occasion de débattre, j'ai dit encore sur la sécurité routière et la sécurité tout court. Mhm. Nous allons continuer la sensibilisation. Nous allons demander à ceux qui sont au niveau de nos régions, nos directions au niveau des départements, d'appliquer scrupuleusement la loi portant code de la route, son décret d'application et tous les différents arrêtés. En appliquant sérieusement, nous n'aurons plus de motocyclistes certainement sans permis, sans casque. Le constat est amer. À 90%, les motocyclistes qui roulent à grande cylindrée n'ont pas ce permis. Et c'est ça le problème, c'est ça le grand danger qui a quelque chose à ajouter. Une minute. Euh, moi, euh, je vais encore interpeller parce que le conseiller du président de la délégation spéciale, M. Alfazazi, a fait cas d'un comité que nous ignorons. C'est peut-être un projet de comité. S'il existait, nous, en tout cas, on n'a pas eu vent de ça. On n'a pas été impliqué. Mais il est très louable de créer ce genre de comité. Et je profite pour le dire que nous saluons quand même la volonté de l'équipe actuelle de la ville de leur détermination mais nous le proposons encore d'être un peu plus regardant parce que je constate qu'il prend des choses à la légère ou avec sans consulter quand même tous les acteurs. Il faut impliquer tout le monde. Nous, on Merci, cher l'acclamer, De nous avoir honoré de votre présence euh, ici. Et c'est ici que s'achève le forum sur la sécurité routière, euh, les nouvelles mesures et les solutions alternatives. La mise en vigueur euh, du port de la ceinture de sécurité, notamment celui du casque de protection, a considérablement réduit le nombre d'accidents car, selon le ministère des Transports, à 90%, ce sont les motocyclistes qui sont victimes d'accidents. Bien une structure, l'Agence nigérienne de sécurité routière, à Niger euh, s'occupera de la sécurité routière au Niger en appliquant les dispositions de la loi portant code de la route. D'ici là, les services concernés continueront les sensibilisations auprès des populations. Par ailleurs, un projet sur la mobilité urbaine de la ville de Niamey est en voie de réalisation selon le représentant de la ville de Niamey et ce pour une bonne fluidité de la circulation. Nous étions en compagnie de M. Hamma directeur de la circulation et sécurité routière au ministère euh, des Transports, commandant Ousmane Yakouba, commandant de l'unité routière euh, de la police nationale, M. Gamache Mamadou Yansambou, secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxi, et Mohamed Alfazazi, qui est conseiller à la ville de Niamey. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous des programmes du studio Kalangu demain à partir de 17h. C'était Rayla Toussoumana à la présentation. Au revoir.